le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio forum du studio Kalamkou 18 passé de 15 minutes à Niamey, vous êtes euh, toujours à l'écoute des programmes de Studio Kalangu relayés dans tout le pays à travers nos 34 radios partenaires. Le forum de Studio Kalangu est un espace d'échange avec des invités sur différentes thématiques d'intérêt général et ce, dans le respect mutuel. Bancarisation obligatoire des salaires et pécule des contractuels et fonctionnaires de l'État du Niger, quel intérêt pour l'État et les salariés C'est à cette grosse interrogation que nous tenterons de trouver une réponse pour édifier le grand public qui reste confus à ce sujet. Rappelons à cet effet que les différents communiqués du ministère des Finances relatifs à cette bancarisation continuent à susciter des réactions au sein des centrales syndicales des travailleurs et syndicats des agents contractuels de l'enseignement et de la santé. Pour débattre de ce sujet d'actualité, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Gourouza Razak, directeur marketing et réseau à Niger Post. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et Monsieur Munkaila Halidou, secrétaire général du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEP. bonsoir. Bonsoir. Et le représentant du ministère des Finances que nous avons sollicité n'a pas honoré de sa présence euh, sur ce plateau. À la présentation, Reyla Tsoumana. Bonsoir à tous. Euh, à partir de janvier 2019, euh, les salaires ne seront plus payés par billetage. C'est une décision du ministère nigérien des Finances qui exige de tous les fonctionnaires et contractuels de l'État jusqu'ici payés par billetage d'ouvrir des comptes bancaires ou postaux au plus tard en décembre 2018, une décision qui fait jaser les agents concernés à travers leurs différents syndicats. Je commence par vous, Monsieur Gourouza, vous êtes le représentant de Niger Post. C'est le Niger Post euh, qui est la structure qui a été retenue pour le paiement des pécules de l'ensemble des contractuels de l'État. Pourquoi le choix de Niger Post Bonsoir et encore merci de nous avoir donné l'occasion de porter plus d'éclaircissement sur euh, le choix qui a porté sur euh, notre société. En fait, euh, le ministère des Finances nous avait concerté pour voir dans quelle mesure nous pouvons les accompagner dans leur projet de bancarisation. Donc, moi, ce que je peux dire de la bancarisation, c'est que c'est une directive de lieu-moi et que tôt ou tard, on doit tendre vers là-bas. Donc, nous avons été choisis principalement à cause de notre capillarité, c'est-à-dire notre réseau. Aujourd'hui, nous avons une représentation sur euh, l'ensemble du territoire national, une représentation d'une centaine de points de contact. Donc, euh, je dirais que c'est ce qui a beaucoup motivé le ministère des Finances. Et d'autre part aussi, il ne faut pas oublier que nous sommes euh, aussi une société d'État, donc qui qui de mieux pour aider l'État dans ses missions régaliennes. Mhm. Voilà. Déjà, euh, lors de l'opération qui avait, je ne me rappelle plus de la date, vers 2013 si j'ai bonne mémoire, une opération qui a été conduite par l'inspection des finances. Et euh, même pour cette opération, on nous avait sollicité dans le temps, bien qu'à la veille, euh, le ministère des Finances avait décidé, à travers l'inspection, ils avaient décidé d'aller faire le biétage eux-mêmes avec des, des, agents qu'ils ont délégués dans tous les points de billetage repartis sur l'ensemble du territoire. Mhm. Donc euh, notre choix, je le rappelle, c'est spécialement à cause de notre réseau et du fait que nous soyons aussi une société étatique. Vous avez parlé d'une centaine euh, de points. Est-ce que tous les départements disposent euh, d'un bureau de poste Niger Poste Bon, je dirais oui, tous les départements disposent d'un bureau ou d'une agence de Niger Poste. Mm-hmm. Et mieux encore, euh, là où les exemples qu'on donne, aujourd'hui, il n'y a pas une structure financière qui a notre potentiel en termes de couverture du territoire national. Mm-hmm. Et mieux aussi, vous savez, nous, nous sommes une société d'État. Depuis tout le temps, bon, beaucoup de gens pensent que nous allons même fermer la porte deux, trois mois après autre. Mais quand même, nous sommes là. C'est parce que, quelque part, nous assurons un service public. Mm-hmm. Donc, euh, c'est dans ce sens aussi que le ministère nous a. On peut estimer la couverture à combien de pourcents, la couverture euh, sur le territoire Bon, ça dépend du critère que vous aurez euh, pris. Par exemple, aujourd'hui, si vous dites, euh, vous prenez le critère couverture sur la base des départements, mhm. je peux dire que nous sommes à une couverture, au risque de me tromper, à plus de 98%, pour ne pas dire 100%. Maintenant, si on part sur les critères de communes, avec la décentralisation, avec les 256 communes, nous sommes à moins, un peu moins de 50%. Et il faut aussi tenir compte du fait que certaines communes, jusqu'à peu compteur, sont inaccessibles. Mhm. Et il faut aussi voir l'élan de croissance de notre réseau. En moins de trois ans, on est parti de 75 bureaux à une centaine de bureaux. Donc cet élan-là est maintenu parce que notre objectif, c'est de voir dans la mesure du possible comment couvrir toutes les communes du Niger. Mhm. D'accord. Et quelle est la procédure de domiciliation du salaire et en combien de temps pensez-vous que le salarié peut accéder à son argent après le dépôt par l'État La procédure de domiciliation du salaire, elle est très simple. Aujourd'hui, le salarié qui est encore au piétage se rend dans une de nos agences. Nous avons un formulaire standard qui est là. À défaut, la personne peut écrire, comme c'est le cas à l'intérieur du pays, une demande manuscrite avec l'adresse de la personne et surtout le plus important, le numéro de matricule. Et nous lui attribuons euh, un numéro de compte. Sur la base de ce numéro de compte, vu que nous, nous sommes déjà un opérateur postal, nous assurons nous-mêmes l'acheminement de la demande de domiciliation jusqu'au ministère des Finances. Donc moi, je dirais que c'est encore mieux que dans d'autres structures où c'est à la charge du demandeur d'aller faire les procédures d'ouverture de compte et ensuite prendre la correspondance et acheminer jusqu'au niveau du ministère des Finances à travers euh, la direction de la SOL. Donc nous, nous épargnons cette peine, si on peut l'appeler comme ça, à nos potentiels clients. Et en combien de temps le salarié peut accéder à son dû une fois que l'État aura déposé l'argent sur son compte <laughs> c'est automatique. Et je rappelle que les CCP sont des comptes courants. Donc normalement, dès que l'État fait les virements dans les comptes des salariés, ça devient automatique. Ça veut dire que le salarié est notifié par un message ou quelque chose comme ça Notifié par un message, euh, oui. Pour l'instant, on n'a pas ce système individuel, mais quand même, à travers nos pages de réseaux sociaux, nous communiquons et à travers aussi nos médias partenaires, nous communiquons aussi pour dire que euh, les firmes sont prêtes. Merci, M. Gourouza. Donc, euh, Monsieur M. Moukaila Halidou du SINASEB, comment vos militants ont-ils accueilli cette nouvelle de domicilier eh, les, les, salaires euh, à Niger Post. <coughs> Merci euh, Rahila. Je crois quand même qu'il faut d'abord féliciter Niger Post puisque je me suis rendu compte qu'aujourd'hui l'équipe euh, de Niger Post est une équipe composée de jeunes comme vous et nous et c'est à l'actif quand même de la jeunesse nigérienne. Bravo et continuez dans ce sens. Euh, la difficulté que nous avons, ce n'est pas avec Niger Post, mais plutôt avec euh, le mécanisme même qui a été mis en place pour faire cette euh, question de bancarisation. J'avoue que d'abord, il l'a dit tout à l'heure, Grouza, nous l'avions rappelé plusieurs fois, que la bancarisation est une directive de, de l'IOMOA. En tout cas, tout salaire ou pécule qui doit dépasser 50 000 ne doit plus être payé à la main. Ça, c'est connu de tout le monde. Et nous avons quand même apprécié à euh, juste titre la décision du gouvernement du Niger de pouvoir faire en sorte que tous les agents de l'État puissent avoir leur salaire au niveau des banques pour plusieurs raisons. D'abord, ça permet à l'État de maîtriser la masse salariale, de savoir qui prend l'argent réellement. Parce que il a parlé tout à l'heure de l'opération biétage de 2013. Il y a eu cette opération biétage, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu le feedback. Le résultat attendu jusqu'aujourd'hui n'est pas connu du peuple nigérien. Et c'est pour ça que nous, nous avons des difficultés avec le ministère des Finances. Donc nous, nous avons quand même estimé que c'est une très bonne chose de pouvoir faire cette opération de bancarisation. Mais seulement, il faut dire deux ou trois choses. La première des choses, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication autour de cette question de bancarisation. Il n'y a pas eu de sensibilisation. Le ministère des Finances, c'est même après avoir pris la décision décision qu'il euh, a approché euh, les partenaires sociaux juste pour les informer de la décision de pouvoir, en tout cas, faire la bancarisation et avec les deadlines qui ont été données. Les deadlines, c'est quoi C'est qu'on intime l'ordre à tous les agents de l'État qui sont encore au biétage d'ouvrir des comptes avant le 31 décembre 2018 parce qu'à partir de janvier, ceux qui ne le feront pas, l'État même va décider de lui-même dans quelle banque il faut envoyer parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Donc au 31 décembre de pouvoir le faire. Nous l'avons dit, c'est bien de le faire, mais le délai, quand vous prenez le délai, mhm. le délai est court. Parce que si Niger Post prend en charge la domiciliation des agents, mais les autres banques, ce n'est pas comme ça, elles n'ont pas cette possibilité de pouvoir le faire. C'est à l'agent de pouvoir, en tout cas, faire la domiciliation de son salaire. Quelqu'un, je pourrais vous prendre quelqu'un qui est à Zender. Il faut d'abord qu'il cherche son historique au ministère des Finances. Il fait les demandes, il ouvre son compte là-bas, il envoie au ministère des Finances pour qu'on lui fasse la domiciliation et renvoyer. Voyez-vous, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu du temps que la procédure peut prendre. Maintenant, vous faites un tour au ministère des Finances. Vous allez trouver en tout cas toute une file qui est là, qui attend pour juste avoir ou les historiques ou déposer pour avoir les domiciliations de salaire. Qui perd, c'est l'école qui perd. Mhm. Parce que ça joue sur le temps. Deuxième chose, c'est qu'il est bon de dire aux gens de domicilier, quand vous prenez pour les autres agents, on a dit c'est libre choix à tous les mhm. agents d'aller dans les banques qu'ils veulent. Mais on impose aux contractuels d'aller à Niger Post, ce qui n'est pas normal parce qu'on ne peut pas choisir une banque à quelqu'un. Le salaire n'est plus la propriété du ministère des Finances. Lorsqu'on demande à l'agent de, de domicilier son salaire, laissez aussi libre choix à l'agent de pouvoir faire la domiciliation dans sa banque de préférence. Vous prenez, on dit Niamey, on fait phase pilote. Mhm. C'était prévu pour novembre, je ne sais plus si ça tient encore parce que les pays du mois de novembre sont en train on va lui poser la question. Parce que quand vous prenez Niami, je prends l'exemple de Niami. On dit que tous les contractuels de Niami seront payés à Niger Post. J'ai vu un communiqué de Niger Post, il y a quatre guichets pour la région de Niamey, où on demande à nos camarades d'ouvrir leur compte. Lorsque le paiement va commencer, c'est au niveau de ces quatre guichets-là. Je ne sais pas si vous imaginez un peu l'espace Niamey, quatre guichets à Harubanda, Plateau, Balafon, et, le siège. Est-ce que vous voyez-vous Maintenant, comment les gens vont se débrouiller pour toucher Parce que la lutte que nous avons menée depuis longtemps, c'est de créer les conditions pour rapprocher le paiement des pécules mhm. aux côtés des enseignants. Et aujourd'hui, en créant cette situation, on risque d'être dans cette position. Quand vous prenez, même si tout à l'heure il a dit qu'ils ont une couverture presque nationale, d'accord, prenez le cas de Il n'y a pas de poste. Ah, vérifiez encore. Parce que <laughs> les informations qui nous sont parvenues, parce que nous on suit. Aderbi il n'y a pas de poste. À département, vous avez des écoles qui sont situées à plus de 50 km. S'il n'y a pas, en tout cas, donc je mets ça entre guillemets, en tout cas, ils vont, le faire. Donc voyez-vous un peu ce que ça peut causer comme difficulté pour les agents de mhm, l'État. À mhm, mhm. ah, il n'y a aucune banque, n'est-ce pas On dit au 31 décembre, tous les agents, parce que là, on ne parle pas seulement des contractuels, tous les agents doivent, aller, doivent aller à la banque. Mais dans quelle banque les agents qui sont à Drukou vont partir Ils seront obligés de chercher la banque la plus proche qui ne peut être qu'Agadez. Et ils vont se bousculer là-bas aussi. Mais ils vont quitter comment pour venir, pour quitter et, eh, et, eh, eh, leur poste de pour venir à Agadez. C'est pour vous dire que c'est seulement avec escorte qu'il faut se déplacer. Au virement des salaires, tous les agents disent qu'ils vont quitter Drukou pour venir chercher leur salaire à Agadez, qui va rester dans la zone. Donc, Voyez-vous, donc c'est pour toutes ces questions-là que nous avons estimé que le ministère des Finances aurait pu associer les partenaires sociaux que nous sommes dans la prise de décision de cette question et surtout créer les conditions pour que cela ne puisse pas aussi causer des désagréments, surtout dans le secteur de l'éducation, pour les enseignants et les apprenants. On donne la parole à M. Grouza de Niger Post. Beaucoup se sont plaints du caractère qualifié de contraignant et du deadline imposé pour ouvrir les comptes, comme l'a dit M. Munkaila. Est-ce qu'au préalable, un travail de sensibilisation a été fait ou pas sur le bien fondé d'ouvrir un compte bancaire ou postal. Merci encore. Je dirais que pour euh, les comptes bancaires, je ne vais pas euh, répondre mhm. à cette question. Mais quand même, euh, pour notre part, ce qui mhm. nous concerne, c'est les contractuels. Parce que c'est vrai, M. Halidou avait parlé de l'obligation du 31 décembre d'être bancarisé pour les salariés. Je rappelle que pour notre cas, c'est nous gérons les contractuels. Au-delà, nous cherchons aussi à bancariser les salariés comme font toutes les banques. Donc pour ça, j'estime que je suis un peu mal placé pour répondre à, ce volet de à cette question-là. Mais côté contractuel, la phase pilote devrait commencer avec les pécules du mois d'octobre. Et je vous assure, c'était avec euh, la vigilance du ministère des Finances qui ont souhaité à ce que ça soit décalé parce qu'ils estimaient que le temps était court. Et l'unique raison qui a été avancée était de permettre aux gens de comprendre et de se préparer. Donc ça a été décalé d'un mois. Et c'est pourquoi le communiqué avait commencé, vous l'avez dit, mhm. euh, à partir du 12. Le ministère des Finances avait commencé à communiquer. Mhm. Nous, nous, étions prêts depuis octobre, mais quand même, on ne peut pas défoncer le ministère des Finances pour commencer à communiquer. Donc le communiqué du ministère des Finances avait commencé le 12 et nous, aussitôt, nous avons enchaîné avec nos médias partenaires. Une semaine après, nous avons animé une conférence de presse à la personne de notre directeur général. Donc à cette occasion, il y a eu des questions pour, demander plus de clarté, tout ça. Et nous avons apporté toutes les nous, que nous estimons nécessaires. Mm-hmm. Tout à l'heure, M. Alidou disait dans son intervention que le choix reste libre aux contractuels ou bien aux salariés en général. Je rappelle que là, on parle de phase pilote. Quand on parle de phase pilote, ça veut dire que c'est entre griffes phase d'essai. Nous sommes en phase d'essai. C'est pourquoi même nous n'avons pas convenu avec le ministère de Finances d'aller globalement avec l'ensemble des contractuels sur l'ensemble du territoire national. On s'est dit qu'on allait partir crescendo. On a fait une phase d'identification mhm. pour familiariser les contractuels mhm. avec les dispositifs qui ont été mis en place. Nous avons en charge environ 5800 contractuels à payer pour la région de Niamey. Et je peux vous dire que sur la phase d'identification, plus de 5200 ont répondu présent. Pour les 500 et quelques qui n'étaient pas venus au rendez-vous, c'est vraiment pas un handicap. C'est vraiment un dispositif qui a été mis en place par Niger Post. Donc il faut voir si réellement ce dispositif répond. Et sur les quatre agences qu'on avait dédiées, c'est pas qu'on ne peut pas dédier toutes nos 13 agences qui sont ici à Niamey, mais c'est vraiment une phase de pilote. Il faut être très prudent. Donc sur les quatre, on a maximisé les guichets. Les quatre agences totalisent 20 guichets. Par exemple, à l'hôtel de poste, vous avez 10 guichets. Au bureau de plateau, vous avez 4 guichets. Au bureau de balafon, vous avez 2 de l'autre côté. Et nous avons aussi fait des calculs pour voir, en fonction de la masse de contacts que nous aurons à prendre en charge, combien de temps nous faudra-t-il quel était le bilan de cette phase Je vous assure, elle a été satisfaisante. Sauf que, camarades de M. Halidou, on était euh, surpris, de, agréablement surpris hein, de les voir à 5 h du matin pour certains, parce que c'est l'habitude, être le premier. Mais quand même, c'est l'occasion pour moi, ou bien pour nous, de rappeler que le dispositif mis en place par Niger Post nous permet de payer l'ensemble des contractuels en temps normal en trois jours. Tous les 5800. Oui moins de trois jours, mais je préfère par prudence. Moi, je dis trois jours. Est-ce que, ça, veut dire que c'est ces quatre euh, agences-là qui vont continuer ou bien vous allez étaler un nous peu Nous allons, bien sûr, nous allons étaler. C'est vraiment la phase pilote. On se doit d'évaluer. Donc, cette phase pilote qui va porter sur Niamey, après le paiement des pécules de Niamey, nous allons analyser encore. Parce que comme ça a été fait pour le cas de l'identification, nous allons encore analyser mhm. pour encore mieux améliorer la, le dispositif euh, de l'intérieur. D'accord. Voilà. Ok. Merci, M. Gourouza, M. Moukaila Ledou du SINASEB. Quelle était l'appréciation des enseignants contractuels euh, qui ont participé à cette phase d'identification là au niveau de ces quatre agences L'appréciation, c'est que c'est comme euh, d'habitude, lorsque euh, il y a une opération en vue, les camarades euh, se précipitent pour le faire parce que, comme nous l'avons dit, nous n'avions pas été contre la procédure de bancarisation, mais comme je, l'ai dit tout à l'heure, mhm. c'est au fait le forcing, le choix d'un seul partenaire qui a juste causé problème. Mhm. ça, c'est une deuxième chose. C'est peut-être là que je risque d'être en déphasage avec Grouza. Les premiers communiqués que nous, nous avons reçus, c'était qu'en octobre, les contractuels de Niamey devraient faire l'identification pour que le paiement des pécules du mois de novembre intervienne. Et ça, c'est la phase pilote Niamey. Et qu'à partir de novembre, que ça puisse s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Ça veut dire qu'en janvier, presque le territoire national devrait être concerné par le paiement de Niger Post. Mais on se rend compte que ça risque d'être difficile. Parce que même pour l'identification, lorsque le contractuel qui se déplace pour aller se faire identifier, ça a aussi un temps à prendre. Vous avez vu Niamey, c'est Niamey. On suppose que c'est juste une ou deux courses. Mais je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que les premiers jours, quand on a donné le communiqué pour dire il faut que les camarades aillent se faire identifier dans les quatre agences, les écoles étaient désertes. Oui, Toutes les, écoles, les écoles, les écoles étaient abandonnées. les gens pensaient même que c'était un mouvement. Il n'y avait pas eu de mouvement. C'est que mm-hmm. pour tout le monde, chacun veut aller pour se faire identifier le premier. Mm-hmm. Et c'est même quand vous allez commencer le paiement, c'est la même chose. Vous allez être débordé parce que vous allez vous rendre compte qu'à 4 h du matin déjà, il y a ceux qui vont venir faire la queue là-bas. Moi, je me dis que qu'il est vraiment bon de mieux communiquer et juste d'expliquer aux camarades ce qui se passe. La difficulté et ce qui a beaucoup stressé les camarades, c'est le fait que le temps était véritablement court. Donc, avant la date victoire là, mhm. chacun veut aller se faire identifier. C'est pour ça que j'ai dit il fallait donner un temps pour permettre à ce que petit à petit que les gens aillent et qu'on donne le temps, qu'on prenne le temps mhm. de pouvoir surtout expliquer et sensibiliser les camarades. Maintenant, l'autre question, l'autre problème qui se pose euh, euh, avec les camarades, c'est qu'avant que le ministère des Finances ne prenne la décision de bancarisation des enseignants contractuels, il y a des contractuels qui ont leur salaire, leur pécule dans d'autres institutions de microfinance, que, que ce soit à Niamey ou à l'intérieur du pays. Ça, c'est aussi une interrogation pour ces camarades-là. Et, et au finish, comment les choses vont se passer. Et Aujourd'hui, quelle garantie ou quel dispositif eh, Niger Post va mettre en place pour que, à la fin du mois, que ce que je dois reverser au niveau de la banque puisse y aller. Donc c'est voilà. En fait, c'est pour ça que normalement, c'est pour ça que je euh, disais non, je sais que c'est fait. Euh, euh, techniquement, qu'est-ce qui peut se passer Et c'est pour ça que j'ai dit, s'il avait une concertation, nous-mêmes en tant que syndicat, il nous revenait aussi de peut-être d'aller dans des assemblées générales et mieux expliquer aux camarades parce que l'approche que nous, nous pouvons avoir n'est pas la même chose que Niger Post ou le ministère des Finances. Donc, dites-nous habituellement comment est-ce que ces enseignants contractuels euh, qui se retrouvent au fin fond du Niger, comment est-ce qu'ils arrivent à percevoir leur salaire habituellement Vous savez, habituellement, à l'heure actuelle, à l'heure sans Niger Post là, mhm. c'est que c'est les agents des ministères des Finances qui s'occupent du paiement. Mhm. Quand vous prenez dans presque tous les départements, il y a euh, les services des finances. Donc c'est eux qui sont chargés de faire le suivi nécessaire jusqu'au paiement. Mhm. Mais quand vous prenez aujourd'hui, par exemple, à Niamey, nous avons cinq communes. Mais avant qu'il n'y ait, parce qu'on vient de découper encore les inspections, mhm. on avait 13 inspections. Dans chaque inspection, on a un service qui s'occupe du paiement des pécules des contractuels. Donc, à la fin du mois, lorsque le virement est fait, c'est à partir de la direction régionale qu'on part au niveau de la payerie pour prendre l'argent, la globale, la totalité de ce qu'on doit payer la région de Niamey. Et maintenant, chaque instruction vient avec sa liste, on les désintéresse. Donc, le paiement s'est fait dans les 13 instructions. Mhm. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit qu'on risque d'avoir des problèmes. Je, je l'ai dit, ça fait très longtemps que nous sommes en train de chercher le mécanisme de rapprochement du paiement des pécules mhm. et même des salaires entre les enseignants et les points de, de, Voilà comment, de manière de traditionnelle, euh, <laughs> de, la tradition, le paiement se fait. Mais aujourd'hui, voyez-vous, moi, je crois que Niger Post doit encore revoir parce que prendre les 5000 et quelques contracteurs avec quatre guichets, vous risquerez d'être débordé. Et ça va nous amener à lorsque, lorsqu'on a fait le Vietnam. Je ne sais pas si Monsieur Grouza, comment Niger Post compte s'organiser dans les régions, les départements, euh, les postes administratifs pour être plus près de ceux qui vont leur confier leur dû? D'accord. Avant de répondre, permettez-moi de, de, poser une question à, à mon camarade, Monsieur Halilou. Et Aujourd'hui, dans les inspections, vous avez combien de guichets par inspection Vous avez parlé de 13, inspections pour la base, une à Niamey. Mm-hmm. Vous avez combien de guichets par inspection C'est un guichet par inspection. Un guichet par inspection. Merci. Et euh, je m'en vais aussi apporter une petite euh, correction. C'est du fait que c'est décentralisé. Ce Justement. ce n'est pas dans, un seul endroit. Effectivement. Quand vous prenez aujourd'hui. Euh, je vois 13 Ça fait 13 points de contact différents. C'est là où j'allais apporter. Voilà les gens seront entassés. Moi, c'est tout ce que j'ai dit. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas le faire. J'ai dit que il, faut. <laughs> D'accord, Alidou, vous êtes vraiment en droit parce que vous êtes mandaté pour représenter des personnes qui ont eu confiance en vous et vous parlez pas par passion, vous parlez pas pour euh, incriminer X ou Y. Vous êtes euh, par devoir moral même, vous devrez mhm. poser toutes ces questions-là. Donc, euh, juste pour corriger, on n'a pas quatre guichets, mais on a quatre point de quatre agences. Donc les quatre agences totalisent 20 guichets. Donc 20 guichets, c'est vraiment au-delà de 13. Et encore, je le rappelle, mhm. c'est juste pour la phase pilote pour des soucis d'efficacité et d'efficience. Là, on sait que tout le dispositif qu'on peut mettre autour pour garantir un meilleur paiement peut nous permettre de prendre en charge tout risque de débordement qu'il peut y avoir. Donc, euh, être plus proche des services de paix, je vous assure, c'est un souci partagé. Parce que moi, j'étais témoin, une fois j'étais en mission vers euh, euh, le département de Iléla, je partais vers Bagarois. Mhm. Le matin, j'ai quitté Iléla. En continuant, j'étais parti à Bagarois et revenir à, à c'est une autre agence qu'on a. je suis revenu vers 17h. J'ai trouvé une queue monstre. 17h. À 17h, oui, à Iléla. Donc ça m'a sidéré et depuis lors, je, je suis revenu et j'ai posé la question, quelle stratégie mettre en place pour au moins alléger Parce que j'ai posé des questions, effectivement. On m'avait dit qu'il y a des gens qui quittent deux jours, parce qu'il y a certains, pour leur localité, c'est seulement sur trois jours sur la semaine, sur sept qu'ils ont la possibilité de se déplacer. Mhm. Donc quand ils viennent, imaginez, c'est à peu près une semaine de classe fermée par mois qu'on a. Pour Sinon plus que ça. Aujourd'hui, ce souci sera réglé parce qu'avec notre système, c'est que nous allons proposer des systèmes qui peuvent permettre aux contractuels de savoir que réellement, au-delà du fait que le virement est fait, son argent est même disponible. Mhm. Il vient, il prend, il part. On est en train de tout faire pour maximiser le plus de temps possible, tant à Niamey qu'à l'intérieur du pays. Mhm. Ça, c'est vraiment un souci partagé. Et nous serons aux côtés de ces contractuels. Donc, euh, tout à l'heure aussi, euh, Monsieur Ali avait parlé de choix d'un seul partenaire. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de petits soupçons et autres là qui pèsent autour des paiements de contractuels. J'aurais voulu que euh, le, ministère, des Finances soit là. Aujourd'hui, le ministère des Finances souhaite avoir une clarté sur ce qu'il dépense pour savoir est-ce que réellement l'argent là qui est dépensé, qui est décaissé, sont rentrés dans les mains des vrais bénéficiaires. Mm-hmm. Donc imaginez qu'on choisisse trois partenaires, de vous à moi, ou deux partenaires. De vous à moi, le risque de fraude, si nous, nous nous engageons à ne pas frauder, ça veut dire que quelque part, ça peut être le risque, voilà, ça, peut arriver. Donc, du la, communication. Du coup, le choix, euh, on ne nous a pas donné l'exclusivité, c'est juste le temps de clarifier et d'assainir. Nous allons faire le paiement des pécules en fin novembre à Niamey en fin novembre, pécule du mois de novembre, nous allons les faire à Niamey. Pour les pécules du mois de décembre, nous allons le faire sur l'ensemble du territoire national. Donc après cela, nous allons continuer parce que l'engagement qui nous lie avec le ministère des Finances nous oblige à fournir des rapports sur ce qui a été payé, mhm. à qui a été payé ce montant-là et par comment et qu'est-ce qui reste. C'est pourquoi c'est le lieu même de rappeler à mes frères contractuels le paiement se fera physiquement avec les deux pièces d'identité reconnues, la carte d'identité et le passeport. Tout ça, c'est pour éviter qu'une tierce personne vienne avec une procuration mhm. ou bien, voilà tout ce qu'on on entend d'imaginer. D'accord. Et donc, ce partenariat-là avec le ministère des Finances euh, de payer les contracteurs via Niger Post, est-ce que ça a une durée ou bien c'est euh, c'est parti comme ça pour euh, toujours Oui, ça a une durée, mais la durée n'a pas été fixée. Parce que, imaginez, ça, j'aurais voulu que le ministère des Finances soit là aussi. Mais ils ont tort de ne pas être là. L'idée, c'est vraiment d'assainir. Aujourd'hui, imaginez qu'on souhaite assainir, ça ne se fera pas sur deux mois, par exemple. C'est progressivement pour voir si les listes, le paiement, le nombre de personnes qu'on a eu à payer pour le mois de décembre, ce sont les mêmes personnes pour stabiliser vraiment les listes. Une fois les listes stabilisées, par obligation, comme je le disais tantôt, mhm. le ministère des Finances dira que, bon, voilà, la mission d'exclusivité confiée à Niger Post s'arrête ici et là, nous allons donner libre cours à tout contractuel d'aller où le souhaite. Permettez-moi juste un petit temps. Mhm. Et ce que je veux dire, les listes que les contractuels auront, vous savez que maintenant, les, contractuels sont payés sur la base des États. Donc nous, les listes que nous allons fournir, ce sont des États directement utilisables pour toutes les structures bancaires et de microfinance. Ce sont des listes fiables utilisable. Donc c'est comme si nous, nous sommes, au contraire, nous sommes en train de travailler pour à les autres. À leur place. Ça veut dire qu'eux, ils n'auront pas grand-chose à faire. Parce que la liste, là, mm. une fois assainie, peut-être permettra aux contractuels d'avoir plus de crédibilité pour prétendre à des engagements. Mm. Sûrement les engagements. Tout à l'heure, M. Halid disait que on nous a choisi unilatéralement tout en oubliant que certains de leurs camarades ont des engagements avec des, avec des microfinances ou des banques. Des banques. Mm-hmm. Et euh, rassurez-vous, monsieur Alidou, nous avons approché l'association des professionnels des microfinances. Et nous avons le communiqué, nous avons aussi approché toutes les autres structures pour leur dire que voilà, c'est nous qui allons payer les pécules. Mhm. Mais comme vous, vous avez déjà accordé des, prêts, venez, nous allons nous concerter. Et il s'est trouvé que après, à l'issue de la réunion qu'on a eue pour la région de Niamey, il n'y a que Capital Finance qui a accordé des crédits à des contractuels. Donc avec Capital Finance, on a eu des séances de travail. Les conclusions de ces travaux ont été amenées au niveau du ministère des Finances et une procédure a été mise en place pour prendre les engagements mhm. pris par ces contractuels et remettre Capital Finance dans ses droits. Et je vous garantis que ça sera la même chose en décembre quand on, nous allons élargir sur l'ensemble du territoire national avec toutes les SFD sur l'ensemble du territoire national. Merci, M. Monsieur Oui. vous voulez réagir oui, avant je, voulais juste, je voulais juste préciser, parce que nous nous suivons de près euh, ce paiement des pécules. Mhm. En dehors de Capital Finance, je peux vous citer qu'il y a des contractuels qui ont des engagements avec euh, euh avec Asus SA, avec la Bagri également, euh, d'autres avec la, la BIN. Parce que euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des banques avec lesquelles il y a déjà des conventions qui ont été signées de partenariat avec ces banques-là et nous savons combien de gens ont pris des prêts avec ces, ces, ces, ces institutions de, de, microfinance. Mhm. Donc peut-être que les autres n'étaient pas à la réunion ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais sinon, Bagri, Bagri a encore des contractuels qui ont pris des prêts là-bas et même à et, en a aussi. Ça, c'est juste pour votre euh, information. Merci beaucoup. Oui. D'accord. Euh, euh, excusez-moi, c'est pour, c'est pour cette raison que nous n'avons pas voulu à interpeller directement les associations parce que il y aura risque de destruction d'informations et tout ça. Mhm. Toutes ces institutions de microfinance sont regroupées au sein de, l'APSFD, la, mhm. voilà, l'association des professionnels mhm. de microfinance. Donc nous avons reçu le SG de cette association-là avec un de, leurs membres dans nos locaux et nous avons discuté de ça et c'est eux-mêmes qui ont approché individuel, un à un, autant pour moi, un, à un, tous leurs partenaires mhm. pour leur signaler. Et voilà, il n'y a que euh, Capital Finance qui nous a fourni. Et on avait même rallongé le deadline mhm. de, euh, de collecte d'informations. Il faut encore vérifier en tout cas, et encore pour qu'il n'y ait pas de désagrément. Parce que moi, je suis convaincu de ce que je suis en train de dire. Il va probablement vérifier encore. Au, sortir de ces, de ces studios, il faut encore vérifier. Euh, je rappelle que, en tout cas, euh, de notre côté, je confirme aussi qu'avec euh, euh, Asusu, comme Capital Finance, la Bagri également. En tout cas, pour ces quatre-là, je peux quand même le dire. Maintenant, je voulais juste dire ceci c'est que euh, en suivant euh, M. Grouza, cela m'amène à comprendre une chose, mhm. c'est que le paiement par Niger Post n'est pas, au fait, si vous voulez, la domiciliation des pécules au niveau de Niger Post. C'est plus un travail de contrôle, n'est-ce pas, de pointage. Non, non, de pointage, non c'est ah, ça, de pointage physique <laughs> que euh, c'est ce travail qui a été confié à Niger Post en réalité pour savoir exactement combien de contractuels nous avons. Parce que c'est ça la difficulté. Aujourd'hui, même au niveau des ministères des Finances, on ne maîtrise pas le nombre de contractuels qu'on a sur le territoire nigérien. Ben, on ne sait pas combien de gens on est en train de, Mais c'est que mieux, voyez-vous, il ne faut pas que ça soit aussi une opération de plus. Véritablement, je crois qu'il faut qu'on en finisse avec cette question-là, que Niger Post puisse véritablement faire ce travail d'identification du nombre d'enseignants et de contractuels que nous avons. Je crois que ça aide tout le monde. Ça aide et le ministère des Finances, et le ministère de l'Enseignement, et euh, en tout cas, nous, en tant qu'organisation syndicale, parce que jusqu'à aujourd'hui, l'effectif des enseignants n'est pas du tout maîtrisé par les ministères là. Et c'est regrettable. Lorsque nous avons des départements qui gèrent les ressources humaines, qui aujourd'hui, vous allez leur demander, ils vont vous dire estimativement, on a à peu près. On ne peut jamais vous dire, voilà ce que nous avons, alors que chaque fin de mois, on est en train de payer. Donc, vraiment, si c'est ça le, travail de, Niger Post, je mhm. crois qu'ils peuvent même avoir l'accompagnement des organisations, que les gens comprennent. Et c'est là où j'insiste encore, il faut beaucoup communiquer sur cette question-là. Il faut communiquer parce que là, nous, on vient de l'apprendre. Et quand on a causé, on vient d'échanger maintenant, mm-hmm. je comprends que c'est plus une opération de contrôle qu'un forcing de pouvoir faire les domiciliations au niveau de Niger Post. Mm-hmm. Donc, on se comprend maintenant. Est-ce que les contractuels qui seront à Niger Post pourraient bénéficier des avantages à, Niger. oui, oui, quelque chose comme ça. D'accord. Merci Raïla. Brièvement aussi. Avant, euh, excusez-moi, avant de répondre à cette question, permettez-moi de saisir euh, ce plateau, mhm. l'occasion pour euh, demander à toutes les banques autres qui pensent avoir des contractuels qui ont des engagements avec eux, de mhm. bien vouloir nous saisir. Mhm. Nous sommes disposés à ça et nous sommes, nous sommes là pour, pour faciliter le, travail pour les contractuels et, pour aussi les structures. Maintenant, effectivement, euh, Madame Rahila, uh-huh. euh, aujourd'hui, tout à l'heure, M. Euh, <laughs> Monsieur Halidou nous avait attaqué. Il disait oui, il nous avait attaqué en disant que les CCP c'est ah voilà, ça fait mauvaise expérience que nous mauvaise... avons vécue. c'est bien normal, c'est bien normal. Euh, je c'est juste pour que vous puissiez prendre des garde-fous. Il ne faut pas qu'on retombe dans les mêmes erreurs. C'est l'expérience que vous avez attaqué. <laughs> Chez nous, euh, il paraît qu'il n'y a pas de mauvaise. Euh, nous, on, chez nous, on considère, on dit pas qu'il y a une mauvaise expérience. Une mhm. expérience, elle est toujours bonne parce qu'une expérience est toujours une leçon et il faut toujours apprendre de ces leçons. Donc euh, nous, effectivement, on on, n'essaie pas de cacher cette ardoise qu'on a derrière, c'est qui est notre passé. C'est vrai, dans le temps, il y avait, il y avait ce problème. Mhm. Mais vraiment, nous sommes si on peut le dire entre, guillemets. nous sommes déjà post nouvelle formule. Et je vous donne rendez-vous euh, parce que euh, c'est la fin du mois, le mois passé. Mhm. Et euh, si vous avez des parents, amis qui sont encore au CCP, parce que je vous assure, nous avons des, un portefeuille assez large, alhamdulillah, et qui croit, qui est en, train, en pleine croissance. Donc si vous avez des parents, amis, demandez-leur quelle est leur expérience actuelle du Niger Post. Mm. C'est vrai, et ce que M. Ali lui avait parlé, euh, dans le temps, les gens se confondent euh, <laughs> CNE et CCP. La CNE, c'était la Caisse nationale d'épargne. Mm-hmm. C'était la Caisse nationale d'épargne qui était fermée avec des, des arriérés et autres. Là. Donc toujours, euh, il y a eu un comité qui avait travaillé et il y a eu un remboursement de ces arriérés jusqu'aux ayants droit, parce que certains ne sont plus, et jusqu'aux ayants droit, et cette opération a porté sur quatre années. Et ça a été rallongé de deux fois. Cette opération a porté sur quatre années. Aujourd'hui, je vous assure, les CCP, alhamdulillah, nous sommes clean. Et dès qu'on fait un virement de salaire, on est capable à même de donner ses salaires. D'accord. Donc, juste une question, une petite vous, question. Vous avez une, minute. Une, une petite question, peut-être que c'est lui qui va répondre. Moi, je voulais juste savoir le contractuel s'est fait identifier à Niamey, donc il prend son salaire, son pécule à Niamey, s'il arrive qu'il euh, retourne à DIFA, par exemple, est-ce que il a besoin de faire une nouvelle identification ou c'est direct, il peut les prendre parce que c'est la même poste. Merci beaucoup, monsieur Ali. Comme le temps est très court, mm. c'est l'occasion de rappeler que, excusez-moi, je réponds toujours à, une autre question d'avant, et il n'y aura pas d'identification pour l'intérieur du pays. Tout à l'heure, été une de vos inquiétudes tout à l'heure. Mm. Il n'y aura pas d'identification pour l'intérieur du pays. Pour l'intérieur du pays, on va passer directement à la P.O. au, paiement. Voilà. Donc, l'identification, encore je le rappelle, c'était pour voir le dispositif qui a été mhm. mis en place, si c'est bien huilé, c'est bon, alhamdulillah, à l'intérieur de Paris, il n'y aura pas d'inoculation. Maintenant, pour le contractuel qui sera identifié ici, l'inoculation se fait sur la base des codes automatiquement, il y a un numéro de compte qui est greffé. Donc, ça veut dire que cette personne, les CCP sont des comptes courants. Ça veut dire que cette personne a la possibilité de toucher son salaire partout où il le souhaite dans n'importe quelle agence de Niger Post. Mhm. C'est bien. D'accord. Et donc, euh, <laughs> une petite question quels seraient les frais de tenue de compte siena a euh, Oui. Bon, pour cette opération de paiement euh, de, de pilote, pour, la phase pilote de mhm. de novembre et décembre, c'est à zéro franc. Niger Post offre ça gratuitement. Mhm. C'est vraiment à zéro franc. Malgré ce que ça nous coûte. Maintenant, après, nous sommes conscients du niveau de revenu des contractuels et on a décidé de faire des frais de tenue de compte à 500 francs. Et je pense que sur le marché, il euh, n'y a aucune structure qui le fait. <laughs> et nos frais de tenue de compte pour les autres offres aussi, les comptes ordinaires euh, CCP, c'est 833 francs. Je le rappelle, nous sommes une société euh, commerciale, <laughs> mais euh, social aussi, euh, nous œuvrons <laughs> euh, pour... finir, Monsieur Munkela, quelle action comptez-vous mener pour que vos militants s'inscrivent à Niger Post Aujourd'hui, tout de suite, je viens de comprendre que c'est mm. plus une opération d'identification des contractuels de manière générale que le gouvernement est en train de faire. Nous ne pouvons que demander à l'ensemble de nos camarades mm-hmm. d'aller pour ne pas se faire pénaliser parce que quand vous ne prenez pas le premier salaire, le deuxième salaire, on considère que vous n'êtes pas sur le terrain, ça veut dire que vous risquerez d'avoir des difficultés par la suite. Donc, moi, je pense que, puisque c'est ça la phase pilote, c'est l'identification des enseignants, il va falloir que l'ensemble des contractuels puissent aller, en tout cas, vers cette phase pilote-là, pour, en tout cas, euh, euh, euh, percevoir leur salaire au niveau des agences ou des guichets de Niger Post, en attendant de voir un peu plus ce qui va se passer. Voilà, c'est ici que s'achève ce forum sur la bancarisation obligatoire des salaires et pécules des contractuels et fonctionnaires de l'État du Niger. Quel intérêt pour l'État et les salariés Retenez que la structure Niger Post a été choisie pour son potentiel de couverture nationale, a déclaré le représentant ici présent. Il a aussi ajouté que les dépositaires de comptes courants postaux pourraient partout au Niger, dans une agence Niger Post, percevoir leur salaire. Le syndicat des enseignants contractuels SINASEB, quant à lui, a apprécié la décision du gouvernement de bancariser les salaires des fonctionnaires et contractuels de l'État. Cependant, il déplore le manque de communication et le caractère qu'ils ont qualifié d'obligatoire de l'ouverture de comptes et la date limite qui leur a été imposée. Pour parler de cette thématique, euh, nous étions avec euh, Grouza Razak, directeur marketing et réseau à Niger Post, et M. Moukaila Halidou, secrétaire général du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base euh, SINASEB. Le représentant du bureau exécutif national de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, et le représentant du ministère des Finances auquel nous avons fait appel n'ont pas souhaité se joindre à notre débat.